le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou. Les programmes d'Issidio Kalangou sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Issidio Kalangou s'intéresse à la tabaski et comment mieux accomplir le sacrifice Abraham. La communauté musulmane du Niger va bientôt célébrer l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski qui correspond au dixième jour du mois de Julhija. L'Aïd el-Kébir ou l'Aïd el est un événement en souvenir au geste du prophète Ibrahim qui voulut en signe d'obéissance à Allah sacrifier son fils Ismaël mais auquel fut substitué un mouton sur ordre d'Allah selon les enseignements de l'islam. Ce geste perpétuée par les musulmans est une sunna, une recommandation forte euh, qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque, l'un des cinq piliers de l'islam. À cet effet, il est recommandé de sacrifier un bélier à défaut d'autres ruminants. Ainsi, afin de faire correctement la tabaski et espérer la récompense qui va avec, mais aussi analyser les comportements des fidèles à cette occasion, nous avons dans ce studio Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, prédicateur en islam. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam et Alou Issa Aye, il est sociologue. Alou Issa Aye, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, comment bien choisir son animal pour le sacrifice de la tabaski الحمد Summa Salatu العالمين ala الصلاة al mursalin, Muhammadun Alam huda wa manar al اليقين Donc, euh, l'islam nous recommande de choisir euh, un animal sain. D'abord, qui n'est pas malade, qui n'est pas famélique, qui ne boite pas, qui n'est pas borgne ou aveugle et qui n'a pas perdu les cornes ou les oreilles. Donc, l'animal doit être en bon point, bien gros, gras, donc euh, propre et en bonne santé. Par rapport au choix de l'animal, est-ce que c'est le bélier, la brebis, le bou Voilà. Donc, euh, ce qui est privilégié d'abord, c'est le bélier. Dans le cas échéant. Pourquoi le bélier euh, Tel que vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est avec le bélier que on a remplacé un Nabi Ismaël, alayhi salam. Et parmi les béliers aussi, et un bélier qui a euh, les taches noires aux yeux, aux, quatre pattes et vice-versa. Donc euh, blanc, noir. C'est ça la préférence. C'est ça la préférence, si il est possible de l'avoir. Dans le cas échéant, n'importe quel bélier qui a donc euh, les qualités dont on a signalé là. Après, on peut aussi utiliser le bouc ou la chèvre, qui, est, qui ont ces qualités-là. Et le prophète nous recommande, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces petits ruminants, d'avoir euh, l'animal qui a un an, ou donc qui a à peu près un an, s'il s'agit du bélier ou de la chèvre. On peut sacrifier la brebis Si. Une fois qu'on ne trouve pas, le bélier Le bélier. On peut sacrifier la, brebis. Hmm. Ensuite, le bouc. S'il n'y a pas le bouc, on prend la chèvre. Euh, en dehors de ces. De, C'est les préférences. Hmm. Dans maintenant, on peut prendre le chameau ou le bœuf. Euh, on ne peut pas sacrifier, par exemple, euh, de la volaille Non, non, non, non. Hmm. On ne peut pas sacrifier la volaille. Oustaz euh, Abdel Fattah Mahmoud, que vaut le sacrifice d'un animal gagné à travers les jeux ou des tirages au sort organisés par des sociétés commerciales, par exemple Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous savons que même euh, l'homme n'accepte pas le blanchiment d'argent. Et comment nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de l'argent sale soit utilisé dans la religion et pour mériter une certaine récompense. Donc, euh, si ce tirage au sort là, il n'y a pas de mise, donc c'est valable. C'est-à-dire que bon, euh, on vient tirer parmi euh, le nom des clients au hasard comme ça, on dit que bon, Monsieur Mokhtar, vous avez gagné, hmm. sans que vous ne participiez pas en mettant quelque chose. Donc c'est la mise là qui rend ça illicite. Et c'est ainsi aussi les prêts avec intérêt. Il y a beaucoup qui le font. Les prêts bancaires, généralement, c'est avec intérêt. Donc. Euh, s'il y a intérêt. S'il a intérêt, c'est exclu. Et il y a aussi nos, nos, usuriers qu'on connaît dans le coin, pour lesquels euh, on voit qu'ils viennent dans les bureaux avec leur petit sac. Voilà, ceci ou cela. Donc, prêt avec intérêt, vous prenez ça, c'est illicite. Le, sacrifice, le, sacrifice, est, nul. Mm-hmm. Ce oh. n'est pas pour mériter une récompense. Vous avez seulement fait pour, manger de la viande. Pour, voilà, pour manger la viande et avoir la satisfaction des hommes et non pas la satisfaction de Dieu. Et auprès de Dieu, vous n'avez aucune récompense. Et d'ailleurs même, l'islam est très très simple. Quand vous pratiquez l'islam et que vous souffrez, c'est que réellement vous avez raté le chemin. C'est celui qui a les moyens auxquels on recommande, on demande de faire le sacrifice. Vous n'avez pas les moyens, vous êtes exempté. Et d'ailleurs même le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, il a égorgé deux béliers. Il dit celui-là, c'est pour ma famille et moi. Le second, pour tout musulman qui a l'intention d'égorger et qui n'a pas les moyens. Donc, il suffit que vous ayez l'intention de faire du bien. Vous n'avez pas les moyens, vous avez déjà les mérites. Donc, pourquoi vous vous mettez le carcan au cou pour dire qu'obligatoirement, il faut que je fasse voilà le, problème, c'est ça. Un musulman peut-il contracter une dette pour acheter un animal destiné à la tabaski Si il sait que, par exemple, nous sommes le 25 aujourd'hui. Oui. À supposer que la fête, c'est aujourd'hui le 25. Et que c'est le 30 que moi, je vais percevoir mon, mon salaire. Sachant que, à la fin du mois, le 30, je peux honorer mon engagement. Donc, je peux m'endetter pour acheter mon animal et à la fin du mois, je rembourse au propriétaire. Mais il y a des gens qui se sont endettés l'an passé. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas payé. Et que quand le gars vient au service pour demander d'après ce qui ont pris, il, fuit, il quitte le service. Donc, qui t'a obligé ça là Il ne faut pas se mettre le carcan au cou. L'islam est très simple. Vous avez les moyens, vous faites. Vous n'avez pas les moyens, Dieu ne vous oblige pas. Là, Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un ce qui est plus fort que lui. Oustaz, que dit l'islam au sujet de ceux-là sans moyens, donc incapables d'accomplir euh, ce sacrifice Il suffit que vous ayez l'intention de vouloir faire. Votre intention est sincère, Allah vous récompense. Ah, si j'avais les moyens, je l'aurais fait. Mais malheureusement, les moyens font défaut. Donc, vous avez les mérites. Donc, si c'est les mérites que nous cherchons, ça c'est déjà d'office, on, les a. Mais si on veut seulement avoir la satisfaction des hommes, c'est là où il y a le problème. Le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Vouloir mériter la satisfaction des hommes, c'est un but qu'on ne peut jamais atteindre. Mais on peut se débrouiller pour avoir la satisfaction de Dieu. Ça, c'est possible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour plaire à tout le monde Il n'y en a pas mais vous pouvez faire un effort pour plaire à Dieu. Voilà. Oustaz, quelles sont les autres recommandations autour de l'Aïd al-Adha depuis l'apparition de la lune jusqu'à l'immolation de l'animal Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit clair et net dans un hadith que il suffit qu'on ait vu le croissant lunaire de Zulhijjah. Tout celui qui a l'intention une famille dans laquelle on doit égorger. Parce que, par, exemple, quand moi, je dois égorger pour euh, ma famille, et moi et ma famille, chacun de nous doit s'abstenir de, de se raser la tête de, couper n'importe quel cheveu du corps, et, ainsi que les ongles, jusqu'à ce qu'on ait fait la fête. Ah, jusqu'après la fête, on est libre maintenant d'aller se coiffer et de couper les ongles. C'est une recommandation du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, nous sommes aussi dans un état de sacralisation comme les pèlerins qui, une fois qu'ils portent le hiram là, ils ne doivent pas se couper les cheveux ou bien couper les ongles. Oustaz, il euh, y a ceux qui disent aussi de ne pas laver l'animal destiné euh, au sacrifice. Ça, là, c'est juste une tradition. Il n'y a aucun fondement, ni dans le Coran, ni dans la sonate du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que bon voilà, il faut laver les animaux. Euh, et, c'est par ignorance que nous lavions les animaux. D'abord, le prophète, on lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la récompense à gagner pour quelqu'un qui sacrifie un animal Il dit chaque poil de la bête, vous avez 10 mérites. Quand vous lavez l'animal, combien de poils vous allez perdre Vous lavez l'animal en cette période de froid, il peut piquer le rhume. Donc vous lui avez encore causé un autre, un, autre problème. Vous avez mis à sa santé. Donc ce qui, doit être vu dans ce cas-là, c'est votre intention et l'argent avec lequel vous faites le sacrifice. C'est ça le plus important. Est-ce que l'argent avec, avec lequel vous faites le sacrifice est licite ou illicite Est-ce que vous faites pour mériter la satisfaction de Dieu ou la satisfaction des hommes. Il y a des gens qui vont dire que moi, c'est parce que je ne voudrais pas que mes enfants aillent chez le voisin. Ou bien, madame, si je n'amène pas le mouton, je n'ose pas rentrer à la maison. Si c'est sur ça que vous avez fait le sacrifice, vous n'avez aucune récompense. Parce que l'intention, c'est quoi Et l'ordre doit venir de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire là, qui vous a dit de faire Allah. Vous le faites à cause de qui Allah. Vous faites ça conformément à quel enseignement C'est ça l'intention. Une fois que les, trois conditions-là ne sont pas réunies dans ce que vous faites, donc ce que vous avez fait est zéro. Et l'intention, c'est là, il Allah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa C'est ça l'intention. Donc, l'ordre est venu de Dieu, il faut faire. Je le fais parce que Dieu a ordonné. Je fais encore pour mériter la satisfaction de Dieu et je fais conformément aux pratiques du messager sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que je fais, Dieu m'a ordonné, j'ai exécuté. J'ai fait pour mériter la satisfaction de Dieu. Mais je ne suis pas conformé à ce que le prophète fait sallallahu alayhi wa sallam. Dieu ne veut pas, il le rejette. Donc ces trois conditions-là doivent être remplies pour que l'acte posé soit exaucé ou accepté par Dieu. Oussaz Abdel Fattah Mahmoudou, un musulman qui a à peu près quatre femmes, peut-il euh, sacrifier un ou deux animaux D'abord, il faut être humble. Et tout ce que le musulman doit faire, il a une orientation. Il a le prophète devant lui, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il doit imiter dans tout ce qu'il fait. Le prophète, sallallahu malgré le nombre de ses épouses, est-ce qu'il a égorgé pour chacune de ses épouses un bélier Jamais. Il, avait les moyens en ce temps-là pour, euh, le faire J'y arrive. J'ai dit tout ce que le musulman doit faire. Il doit s'inspirer de l'exemple du messager Est-ce que le prophète lui a dit de faire C'est-à-dire, le fondement de la religion, c'est le Coran et c'est les pratiques du messager Si tout ce que nous faisons est en dehors de ce que le Coran nous a demandé et en dehors de ce que le messager a fait, sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est zéro. On se comprend Voilà. Donc le messager, a dit que j'égorge un pilier pour ma famille et moi-même. Est-ce qu'il a dit que je dois égorger pour chacune de mes épouses, mais je n'ai pas l'argent s'il n'a pas les moyens, il allait dire que je n'ai pas les moyens, mais pour celui qui a les moyens, il doit faire comme ça. Mais il ne l'a pas dit. C'est clair. s'en tient strictement à strictement, Voilà. Voilà, c'est un exemple qu'il faut chaque fois suivre pour être en paix. Parce que Dieu nous a dit, nous vous avons envoyé le messager en tant que miséricorde. Une fois que vous suiviez ce qu'il fait, vous êtes en paix. Vous êtes béni. Mais une fois qu'on quitte ce qu'il fait, son enseignement, on est égaré. Aujourd'hui, si les gens sont, en train de pratiquer l'islam et qu'ils souffrent, c'est parce qu'ils ont raté le chemin, quelque part. Euh, ils sont en train de dévier. Ils de dévier, c'est comme ça. Hmm. On va aller vers euh, le sociologue Alou Issaïe. Euh, sur le comportement de l'homme en pareille circonstance, comment expliquer que certains chefs de famille, sont vraiment les moyens, force à accomplir le sacrifice d'Abraham ou à être démesuré dans l'acte en égorgeant plus qu'il n'en faut. Bonsoir, je remercie sincèrement Oustaz pour euh, la clarté vraiment de son argumentation et euh, j'ai été sérieusement assez édifié par rapport franchement aux pratiques euh, religieuses liées à la fête de Tabaski cela dit, euh, je dois intervenir, je pense bien, pour apporter un aspect sociologique ou un point de vue sociologique qui n'est pas forcément religieux et qui n'est pas euh, forcément pour justifier euh, le comportement des uns et des autres, mais véritablement pour expliquer avec une lecture sociale qu'est-ce qui pousse fondamentalement les uns et les autres à agir de telle ou telle manière. Cela dit, par rapport à votre question, euh, je pense que il y a euh, ce qu'on appelle un fait social. La fête de Tabaski, comme toutes les autres fêtes, au-delà de l'aspect religieux, est devenue un fait social. Et lorsqu'on parle d'un fait social, il faut se dire qu'il y a l'une des caractéristiques qui constituent les faits sociaux qu'on appelle la contrainte l'aspect contraignant, qui force les uns et les autres à être en commodité avec les pratiques sociales, avec ce qui est en cours dans la société. Parce que lorsque vous vous opposez ou vous refusez, eh bien, il y a le regard accusateur de la société. Il y a les contraintes qui vont s'abattre sur vous, pour lesquelles ce n'est pas toute âme qui a la capacité ou la possibilité de pouvoir les surmonter. Je m'explique. Imagine un père de famille qui soit peut-être fonctionnaire en milieu urbain, où le jour de la fête, tout son voisinage est en train de gorger un bélier ou un mouton, en train de faire le sacrifice. Et que lui, il ne soit pas à mesure de le faire. Au-delà véritablement de ce que Oustaz avait dit comme aspect religieux, il faut comprendre que la société va l'accuser d'incapacité. Sa famille va l'accuser d'incapacité. Ses enfants vont l'accuser de ne pouvoir pas honorer un engagement chez eux alors ailleurs ça se fait. Ça, c'est une contrainte sociale, malheureusement, qui est en cours chez nous et qui force les gens à, chercher les astuces, à chercher les moyens, même s'ils n'en ont pas à s'endetter, à tricher par-ci, par-là, pour pouvoir honorer cet engagement social. Parce que tout simplement, cette société-là, elle n'observe pas, ou elle n'a pas un regard sur la lucidité ou euh, l'argent là que tu as eu, de quelle manière tu l'as eu. Le plus important dans notre société, c'est le paraître, malheureusement. Nous sommes dans une société où nous appelons ça l'hypocrisie sociétale, où on nous pousse à être beaucoup plus dans le paraître que dans l'être en vérité. Notre société nous amène à, être conformistes par rapport à un certain nombre de normes. Aujourd'hui, même si vous avez un baptême, il faut prendre le cas. Vous allez voir comment ce que les gens se font se démarrer pour paraître. Juste pour paraître parce que l'opinion sociale le regard social est figé en cela. Alors qu'une semaine après, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vont tomber dans la dette, ils vont tomber dans le quotidien. Mais c'est cela le défaut de notre société. On nous pousse à paraître au lieu de rester tel qu'on est. Et malheureusement, tant qu'on va évoluer dans ce sens, nous allons toujours avoir des gens qui seront obligés de se conformer. Parce que se conformer, c'est répondre aux normes sociétales. Et les normes sociétales par rapport à à la fête de Tabaski, c'est démolé au mousse et mouton. Maintenant, pour celui qui veut montrer encore l'aisance, toujours dans cette optique de paraître, mais s'il a quatre femmes, il va défiler. Mais, mais et encore même pas des petits béliers. <laughs> Ils vont chercher à la limite de vous. Vous allez trouver chez eux une dizaine. Parce que tout simplement, dans le quartier, je vais me montrer comme étant le meilleur, l'homme le plus riche, le plus aisé même si fondamentalement je suis obligé de partir voler. À Saïe, il n'est pas rare de voir euh, certains immoler une dizaine euh, de bêtes, voire plus, alors qu'au même moment, dans leur voisinage, certains n'ont même pas les moyens de s'offrir même une volaille. Euh, comment aborder sociologiquement cet aspect Oui, en fait, pour aborder cet aspect, je pense qu'il y a une perte de qualité que nous sommes en train euh, de, de, de, subir, en tout cas dans notre société. Cette qualité, c'est quoi C'est la solidarité. La solidarité est l'un des fondements, en tout cas, de la vie en communauté. Que ce soit une communauté humaine ou une communauté sauvage, la solidarité, elle existe dans toutes les formes de communauté. Et en plus, dans notre communauté musulmane, où en principe, ça doit être le socle sur lequel la société doit résider. Malheureusement, euh, de nos jours, nous sommes en train d'assister à cette part de cette valeur qui est en train d'être remplacée par l'égoïsme et l'égocentrisme des uns et des autres. Parce que tout simplement, on veut se montrer comme étant le monsieur ou la dame la mieux aisée de la communauté ou de la famille. Eh bien, on ne se soucie pas on n'a pas le temps de jeter un regard sur son voisin. Pourtant, le bon sens, comme disent les philosophes, c'est la chose la mieux partagée. Et ce bon sens-là recommande au moins de jeter un coup d'œil sur son voisinage. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Est-ce que, en fonction de ce que j'ai, qui est de trop, parce que tout être humain le sait, on peut juger si réellement on a fait de trop ou on ne l'a pas fait. Mais pourquoi bon Dieu de bon sens n'est pas partagé avec quelqu'un d'autre Mais on préférera, malheureusement, que ce monsieur-là vienne vers vous pour quémander, pour tendre la main. En ce moment-là, on lui donne. Mais de soi, nous sommes rares, en tout cas les Nigériens, qui ont cette capacité d'appréhender les choses et de partir vers celui qui n'en a pas. Or, l'idéal en termes de, solidarité, c'est cela. C'est celui qui a les moyens, qui va venir vers celui qui n'en a pas pour l'épauler, afin qu'ensemble nous puissions avoir un équilibre, une certaine stabilité. Mais lorsque on doit toujours créer un fossé, où c'est celui qui est diminué, qui n'a pas les conditions, qui n'a pas les moyens, qui sera de l'obligation de se rabaisser, parce que quelque part c'est ça pour venir tendre la main vers vous, et eh bien, en ce moment-là, on force les calculs. On force les bases fondamentalement de la solidarité qui est, comme je l'avais dit au début, véritablement le souci ou la volonté d'aider son prochain afin que nous puissions avoir un minimum d'équilibre social. Mais très malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, nous sommes en train véritablement d'assister à des pertes de valeurs vous avez quelque chose à ajouter? C'est pour matérialiser ce qu'il vient de dire là, un fait que nous avons vécu. Mhm. On était en ce moment-là à Terra, pendant la conférence nationale. Là. Vous mhm. savez qu'il y avait les. En 91. Voilà, il y avait les manques de salaire là. Oh, un enseignant a volé un mouton. Et il a été pris on était obligé de l'affecter, de le faire quitter le lieu. On l'a amené à la gendarmerie, il dit qu'il est un, enseignant. Il n'y a pas de salaire, la tabaski est là et il faut qu'il le fasse. Vous voyez le problème S'il mmh, Si il s'était <coughs> arrêté à ce que l'islam a dit, il est en paix. Il n'allait mmh. pas voler. Mmh. Maintenant, il ne cherche plus à avoir la satisfaction de Dieu. La satisfaction de sa famille et de la société. Et c'est ça qui lui a causé de problème. Et pour mieux encore édifier, dire qu'on ne peut jamais, jamais avoir la satisfaction des hommes, la morale islamique nous dit. Il y a un vieux avec son enfant, ils étaient sortis. Le vieux veut apprendre à son enfant la sagesse, que tu ne peux jamais avoir la satisfaction des hommes. Ils sont sortis avec un âne. Du point de vue tradition, le vieux a dit, comme je suis vieux, tu me laisses monter l'âne et toi tu marches à pied. Ils marchent sous le soleil. Quand ils ont rencontré un homme, Oh, j'ai rencontré un homme vraiment qui n'a pas de pitié. Toi, le vieux sur l'âne, ton enfant marche à pied. Il dit à l'enfant, tu as entendu Il dit oui. Moi, je vais descendre, toi, tu vas monter. Ils ont cheminé un peu, ils ont rencontré le fils de l'homme. Hum, hum, hum, le vieux là, il est vraiment con. Toi, le vieux, euh, tu, marches à pied ton enfant sur l'âne Il dit à ah, l'enfant Tu as entendu, non Il dit Oui. Nous deux, nous allons monter. Les deux sont sur euh, l'animal. Ils ont rencontré encore fils de l'homme. Il dit oh, Ces deux-là, ils n'ont même pas pitié de ce canon-là. Les deux sur l'âne. Il dit que l'enfant, nous allons descendre. On met l'âne devant nous. Et on continue. ils ont continué encore, ils ont rencontré encore le Fils de l'homme. Euh, aujourd'hui, j'ai rencontré des gens vraiment qui sont bêtes. Vous marchez après, alors, sous le soleil encore, il y a un an, vous ne montez pas. Il dit à l'enfant, as entendu donc, qu'est-ce que tu peux faire pour pleurer à tout le monde Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. <laughs> Alou Issa Aye, le sociologue. Il existe aussi cette pratique qui consiste à offrir de la viande à seulement ceux qui vous a déjà offert de la viande, euh, tout comme euh, cela se fait euh, le jour de la fête de Ramadan avec le balai de tasses et autres assiettes. Quelle explication au sujet de ce comportement oui, on a un peu ébauché. Hein. Je pense que mm. ça fait partie malheureusement des caractéristiques de nos pertes de valeur. Euh, parce que en vérité, si on doit aider, on doit aider celui qui n'en a pas. La solidarité, c'est ce qu'elle recommande. La vie en communauté, c'est ce que ça recommande. C'est lorsque on doit aider, il faut aider celui qui n'en a pas. Mais lorsque nous faisons trop de calculs, nous faisons, il y, y, a des familles, j'avoue, qui vont retarder même la distribution jusqu'à une heure tardive, vers 9h, 10h, pour s'assurer que voici celui qui m'a amené, <laughs> enfin que moi, au retour, je lui ramène. Mais ça, c'est juste une contrepartie. C'est triste. et et là, il va nous édifier beaucoup plus, mais les socles de l'islam ne sont pas respectés. Les bases pour lesquelles on a dit de partager la viande en trois parties, afin de donner à ceux qui sont nécessités là n'a pas été respecté. Parce que tout simplement, au nom de notre égoïsme ou égocentrisme, nous attendons à ce, euh, de voir qui et qui nous a amenés enfin que Et surtout les gros morceaux. Au-delà même d'amener, on vérifie les gros morceaux. Qui a amené tel morceau et proportionnellement à ça, on lui renvoie. Donc en fin de compte, si tu as égorgé 10 moutons, tu vas te retrouver avec tes 10 moutons. C'est cela en vérité. Si tu as égorgé un mouton, tu vas te retrouver avec ton mouton, peut-être au-delà, un plus, parce que tu vas proportionnellement par rapport à ce qu'on t'a amené, tu donnes. Et malheureusement, à côté de nous, il y a ceux qui sont parfois en train de trembler de porte en porte pour commander, pour demander le monde qui leur est destiné. Alors que le bon sens voudrait à ce que lorsque tu as fait la répartition en trois parties là, la partie qui revient aux nécessités là, fais le tour, trouve-le chez eux et tu déposes. C'est cela, l'équilibre social. Je me rappelle un jour, j'ai entendu un, audio là, un, vocal. Euh, c'était un monsieur qui donnait l'explication, euh, si je crois, doit être un Sénégalais ou un Guinéen. Il disait, euh, lorsqu'il était avec son grand-père, une année, et c'était une famine dans leur village. Donc, à un temps donné, son grand-père a voulu aider une famille qu'il a constaté qu'ils n'ont pas posé la marmite. Et il a attendu la nuit pour partir. Il a demandé à son petit-fils de partir nuitamment déposer devant le chef de monsieur-là, qui n'a pas pu, dans la journée-là, euh, poser la marmite. Et le, petit a été curieux, il a demandé à son grand-père, mais pourquoi, euh, grand-père, il faut faire comme ci Il dit non, c'est mieux. Comme ça, lorsqu'ils vont se réveiller, le matin de bonheur, ils vont trouver à manger, ils vont prendre, ils vont mettre dans leur maison. Ils vont manger en toute qualité sans savoir qui fondamentalement a amené. Mais mieux, il dit, ça permettra de résoudre un problème social parce que tout celui qu'ils vont rencontrer demain, qui appartient à la communauté, est un potentiel donateur. Et là, voyez-vous, la chaîne de solidarité, elle sera maintenue. Parce que tu ne sais même pas fondamentalement qui t'a donné. Mais tu sais que dans cette communauté, il y a des gens qui sont à mesure d'épauler les autres. Et toi aussi, tu feras pareil. Mais lorsqu'on on est incapable de le faire, comme je le disais tout à l'heure, il faut attendre que sur une société-là fasse le déplacement en dépit de tout ce qu'il y a comme contrainte, comme perte de dignité pour qu'ils viennent quémander chez vous. Et des fois, à des maisons où on ferme hermétiquement. Il faut que tu frappes. On demande c'est qui Non, c'est l'enfant d'un tel. Il a amené. Là, on ouvre, on prend. Mais si c'est un mendiant, on lui dit allez-y. Pourtant, il a sa part. Oustaz est là pour nous édifier parce qu'on a prévu de partager ça en trois et il y a la part de ceux qui sont nécessités. Exactement, Oustaz Abdefatah Mahmoudou, la grillade pour la tabaski est-elle religieuse ou culturelle Non, <clears throat> elle est culturelle, c'est une tradition. Mhm. C'est au Niger, ici seulement qu'on le fait. Ailleurs, c'est cru qu'on distribue la viande. Donc, c'est pas religieux Non, non, c'est pas religieux. Pour, augmenter. Même au mhm. Niger, c'est pas dans, dans toutes les, mhm, Par exemple, à l'Est, là où vous partez, c'est vraiment cru qu'on partage la viande. Ok. Euh, Oussad Abdel Fattah Mahmoudou, qui recommande l'islam sur le partage de la viande du tabaski Le messager nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Fakulu, Wadakharou, on dit la charité bien ordonnée <laughs> commence par soi-même. quand on va encore dans le Coran, Dieu a dit wa miskin Donnez à vos proches parents leurs droits. C'est-à-dire dans ce que vous possédez, ils ont un droit dedans. La famille. La famille proches parents, ça commence avec la mère et puis les deux géniteurs mhm. et vice-versa. Donc quand vous avez quelque chose, parmi eux, il y a des démunis, il faut aller vers eux. Et dans ta famille, il faut que d'abord que tu arrives à satisfaire ta femme et tes enfants avant de sortir avec. C'est pour ça que le prophète nous dit manger. S'il y en a suffisamment, donnez aux enfants, ils vont aller garder. Et ensuite, maintenant, on dit Watasaddaku, donnez, faites l'aumône. Maintenant, vous sortez. Vous donnez aux autres. est-ce que réellement, par rapport à ce que vous, avez dit est-ce qu'on respecte l'esprit de ce hadith et l'esprit de, du verset du Coran Une fois que les deux là ne sont pas respectés, donc on est totalement sorti du cadre de l'islam. Et en ce moment, il n'y a pas de récompense. Oui, il n'y a pas de récompense. Le matu on fait pour mériter la satisfaction de quelqu'un d'autre là-bas. C'est comme si maintenant, vous n'avez pas travaillé pour moi et vous me réclamez un salaire. Est-ce que c'est possible Donc, euh, on doit faire, on doit faire à cause de Dieu. Et le jour de la résurrection, Dieu dit que bon, tu as travaillé pour moi, voilà, la récompense. Mais tu as travaillé pour que les hommes sachent que tu as fait ceci ou cela. Mais le jour de la résurrection, ce n'est pas les hommes qui donnent la récompense, c'est Dieu. Mais tu n'as rien fait pour lui. Qu'est-ce qu'il va te donner Vous voyez, là où, c'est très très grave, on se dit musulman, mais malheureusement, on est totalement sorti du cadre de religieux. C'est ça le hic, c'est ça le grand problème, c'est ça. Il faut qu'on comprenne c'est quoi l'islam, qu'est-ce qu'il nous demande. Mais malheureusement. et il y a un autre. Oui, allez-y. Et la peau ou la tête et les pattes de l'animal. Mhm. On ne doit pas dire que bon, un tel ou bien le cou. Mhm. C'est toi qui as égorgé, parce que tu as égorgé l'animal, je te donne le cou. Ah. Ou le boucher qui est venu, qui a dépêché, mhm. on dit que parce que tu as dépêché, prends la, peau ou bien les enfants qui, qui nous ont aidés à griller. Là, prenez la tête et le truc là, vous vendez pour aller faire à taille. Non. Le tout appartient à Dieu, ça doit être distribué à nos mondes. Si c'est en, en, temps de disette et que vous avez égorgé un animal et que dans ta famille vous pouvez tout manger, vous mangez le tout, il n'y a pas de problème vous avez pu donner à vos parents dedans, si vous arrivez encore à donner aux mendiants qui crient, qui viennent, euh, qui font le porte-à-porte, -porte, mais rien ne doit être encore vendu. Ni la peau, ni la tête, ni les pattes. C'est lui qui nous a aidés. Dans le travail, on doit mettre la main dans la poche pour le payer. Mais on ne dit pas, ah, parce que tu as fait ceci, je te récompense avec encore quelques parties de l'animal. Alou Issa Aye, après la Tabaski, ce sont plusieurs tonnes de déchets solides et liquides qu'on retrouve dans les quartiers accompagnés de désagréments multiples. Euh, que recommandez-vous à ce sujet Bon, ce qu'on euh, peut recommander à ce sujet, c'est beaucoup plus de civisme. Parce que je pense que le problème qui se pose ici, c'est un problème de civisme et euh, malheureusement, je pense que c'est un autre pan de lutte au Niger il faudrait qu'on comprenne que la chose publique nous appartient tous. Si c'est une rue, si c'est une ruelle, elle nous appartient tous. Si c'est un arbre qu'on a planté, si c'est un édifice, il nous appartient tous. Par conséquent, de la même manière, et je suis convaincu, beaucoup d'entre nous, nous n'aurons jamais laissé les saletés là, dans leur maison, dans leur chambre, mais si c'est dans la rue, on le laisse. Donc il faudrait que nous comprenions. De la même manière qu'on prend soin de chez soi, là, c'est de cette même manière qu'on doit prendre soin de la rue, de la communauté. Parce qu'en ce moment-là, beaucoup plus, je pense, parce que là, c'est toute la communauté. Vous allez nuire à toute la communauté. Vous allez nuire à tout votre voisinage. Imagine, par exemple, dans des sociétés où il y a quelqu'un qui va immoler 10. Celui-là à côté, ton voisin, il n'en a rien. Et tu le laisses avec des déchets qui vont finir par pourrir sa vie. Parce que tout simplement, toi, tu as été incapable de prendre soin de la chose. Mais ça, c'est encore plus gravissime. Certains euh, versent les bouses et autres restes d'animaux dans les caniveaux. Effectivement, pour encore boucher davantage ce que la communauté ou les autorités communales ont pu faire pour évacuer. Très malheureusement, c'est pourquoi je le disais, c'est véritablement un problème de civisme. Et pour ça, il faut qu'on agisse. Agir à travers la sensibilisation, mais également à travers des mesures qu'on doit prendre. Parce que vous savez quelque chose, euh, les Nigériens, on est parfois un peu petit excusez-moi du terme, mais lorsque quelque part on sent qu'il y a la pression, on sent qu'il y a la possibilité des sanctions immédiates, les gens obéissent les gens obtempèrent à la loi. Mais lorsque la loi est là et qu'il n'y a pas un garde-fou, une possibilité de, sanction, eh bien les gens vont la piétiner allègrement. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Donc, pour donner un petit exemple, euh, ça, m'arrive toujours de, de, le dire en illustration. Lorsque on avait imposé le port de, la ceinture euh, dans la circulation, voyez-vous, à peine une semaine, tout le monde se conformait. Parce que pourquoi Parce que quelque part, il y a la police qui est prête à vous prendre et à vous sanctionner. Mais si seulement la police n'avait pas suivi, c'est la loi, on avait décidé de, sanctionner les gens ou de demander aux gens de se déporter. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a les Mais du moment où il y a une sanction qui est là, donc il faudrait que dans toutes les mesures que le gouvernement aura à prendre ou la communauté aura à prendre, il faudrait prévoir des actions ou des sanctions pour qu'elles soient surtout immédiates afin que les gens puissent comprendre qu'ici c'est de notre bien. Parce que si la sensibilisation ne nous permet pas de comprendre le bien de la communauté, là, c'est pour nous, on doit les protéger, et eh bien, il faut sanctionner ceux qui sont prêts à détériorer le bien de la communauté. Oustaz, est-ce qu'il est recommandé de faire des zikres en allant, par exemple, à la prière le Idila Oui. Et le matin, comme c'est Idil Abdaha, d'abord, on se lave on se parfume, on ne mange pas d'abord. Ah. oui, on ne mange pas. À jeûne. Oh, oui, on va à la prière. C'est au retour maintenant qu'il faut revenir à la maison manger. Donc en allant, il faut faire des zikrs. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Il y a, les, zikrs sont, ils sont nombreux que l'on peut faire pour aller. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que vont de glorifier et de magnifier Dieu au cours de ces, de ces jours-là. Et montrer maintenant et, aux autres qui ne sont pas musulmans que c'est votre jour de fête que, que vous êtes en train de, de, fêter. Donc il y a des zikrs qu'il faut faire en allant jusqu'au retour. Et aussi il y a des zikrs que l'on fait durant les trois jours. Ce n'est pas seulement le jour de la fête qui consiste à dire Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar. Il y en a de plusieurs sources que l'on peut faire. Pour appuyer ce qu'il a dit tout à l'heure, Il je vais résumer sa parole un hadith. Le messager a dit, alayhi wa sallam, quand il a visité le paradis, qu'il a vu quelqu'un qui dandine dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait rentrer au paradis Parce qu'il a vu un obstacle, une branche ou une bouteille, quelque chose comme ça, qui gêne la circulation, il l'a enlevé. C'est à cause de ça, il est admis au paradis. Donc, quand vous obstruez la voie publique. Quand vous salissez la voie publique, donc vous nuisez maintenant encore aux gens. Et la dame qui jeûne tous les matins, toutes les nuits, elle fait des prières surrogatoires, mais elle nuit aux voisins. Le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle va en enfer. Donc, il faut éviter le musulman, puisque c'est qui même le musulman Le musulman est celui-là dont les autres, ce ne sont pas seulement les hommes, hein. tous les êtres sont à l'abri du mal de sa langue et de ses membres. voilà la, définition du musulman. Donc on ne doit pas faire du mal à qui que ce soit, ni par la langue, ni par vos membres. malheureusement, aujourd'hui, est-ce que nous répondons à cette définition <laughs> Oussad Abdel Fattah Mahmoudou, quels sont vos conseils, appels ou recommandations aux musulmans pour une tabaski réussie Bon, de toutes les façons, et il faut avoir la crainte de Dieu pour tout réussir. Tout ce que l'homme doit faire dans sa vie, il faut qu'il craigne Dieu. C'est pour ça que le, prophète nous dit, alayhi wa sallam, Quel que soit là où vous vous retrouvez, craignez Dieu c'est la clé du bonheur de toute chose, la crainte de Dieu. C'est tout. Alou Aye, vos conseils, appels ou recommandations aux musulmans, à la communauté tout entière durant la Tabaski euh, L'appel peut-être que j'aurais à lancer, c'est de dire vraiment beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'entraide et que, en fin de compte, qu'on soit civique, qu'on ait l'amabilité ou la gentillesse après le premier jour, le deuxième jour là, de balayer pratiquement toute nourriture. Ça sera formidable. L'islam encourage et incite à l'entraide, à la coopération, à la conjugaison des efforts afin d'entreprendre ensemble les bonnes œuvres. Les dépenses utilisées doivent atteindre un but communautaire pour créer une société conforme à la loi divine. Et voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Oustaz Abdel Fattah Mahmoudou, prédicateur en islam, et Alou Issa Aye, il est sociologue. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.